Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour euh, des attaques des groupes armés non étatiques à Kandaji, région de Tilaberi, et à Takanamat, région de Tawa. Ensuite, nous parlerons des deux entretiens en langue nationale euh, du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, accordé à nos confrères de la télévision télévision nationale en lien avec l'actualité nationale. L'actualité, c'est aussi la rentrée scolaire 2023-2024 effectuée lundi 2 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Issa Madougou, journaliste indépendant. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, docteur. Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Arimi, bonsoir. Bonsoir. Et Maimouna Diado, journaliste indépendante Memouna Diado. Bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 6 octobre par la situation sécuritaire dans les régions de Tilaberi et Tawa. 12 soldats nigériens sont tombés jeudi 28 septembre dans la localité de Kandaji, région de Tilaberi, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Selon le même communiqué, sept autres soldats ont été blessés dans la dite attaque et 4 véhicules le ministère de la Défense a également indiqué qu'une euh, centaine euh, d'hommes armés a été neutralisée et plusieurs motos appartenant à ceux-ci ont été euh, détruites par le vecteur aérien de l'armée nigérienne à Tijan, village situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est d'Ayoru. 29 soldats nigériens ont trouvé également la mort et deux autres gravement blessés dans la nuit du mardi au mercredi 3 octobre dans une attaque menée par des hommes armés dans la zone de Takanamat, région de non loin de la frontière avec le Mali, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Maimouna Diadou, avez-vous d'autres informations au sujet de ces deux attaques Mokta, je n'ai pas suffisamment d'informations, euh, à part le communiqué officiel euh, du ministère de la mm-hmm. Défense et ce que vous venez de dire à l'instant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est d'abord présenter nos condoléances euh, à la famille de ces victimes, de ces vaillants soldats qui sont quand même tombés l'arme à la main, et propre établissement aux blessés. Et surtout, condoléances également à tout le peuple nigérien parce que là, euh, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas à ça, mais malheureusement, on s'est réveillé sur ça. Et je pense que c'est, il faut saluer le courage, la bravoure, en tout cas, de nos forces de défense et de sécurité qui ont eu à riposter et qui ont mené le combat jusqu'à l'arrivée donc euh, des renforts. Et je pense que neutraliser 100, plus de plus De 100 terroristes c'est vraiment une prouesse. Nous les encourageons à aller de l'avant, c'est vrai. C'est à déplorer, on, le sait. Mais face à l'ennemi, je pense qu'on n'a pas droit à baisser euh, la vigilance, euh, et que c'est maintenant que les populations doivent euh, agir en conséquence. Ça veut dire tout simplement euh, collaborer avec les forces de défense et, de euh, sécurité et apporter leur soutien, en tout cas moral, physique, quel qu'en soit de nature, hein, pour que vraiment euh, le moral puisse être rehaussé au niveau donc, de ces forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup, Memouna Diado. Abba cette unité de l'opération Al-Mahou a été battue pour assurer la sécurisation du chantier du barrage de Kandaji sur le fleuve Niger, censé devenir à terme le principal barrage du pays. Comment expliquer la présence de ces groupes armés malgré la riposte énergique et les assauts répétés de l'armée régulière Merci Mokhtar. En fait, on a toujours dit qu'il s'agit là d'une euh, guerre euh, asymétrique. Bon, là, euh, l'armée relève qu'elle vient de tirer quand même une centaine. Ça veut dire qu'ils sont venus en, grand nombre. Mhm. Donc c'est cela qu'il faut chercher à comprendre. Est-ce que, comme d'habitude, ils ont euh, traversé les frontières, la frontière avec euh, notamment le Mali euh, ce qui concerne Ayuru, c'est la frontière la plus proche pour venir, Ou ils étaient embusqués quelque part dans les buissons, dans, derrière les collines. oui, des solides et qui ont pu se regrouper facilement et réagir. Parce que oui, à Kandaji, euh, c'est le, barrage qui était, semble-t-il, euh, euh, visé. Mais à Taknamat, c'est une embuscade, semble-t-il, aussi, et qui aurait même eu explosion de mines, des choses comme ça. Et donc, autrement dit, il y a quelque chose qu'ils font et qui, avec laquelle il continue à surprendre notre armée, c'est certainement euh, le renseignement. Euh, autrement dit, de tous les mouvements, ils sont informés de tous les mouvements de nos euh, voyants soldats, n'est-ce pas Et à chaque fois, euh, c'est dans ces conditions qu'ils sont attaqués. Et vous vous rendez compte Avant, c'était au petit matin ou en plein jour. Aujourd'hui, apparemment, ils attaquent exclusivement la nuit. Et donc, il faut vraiment euh, s'adapter à cette façon de faire. On a dit, ça reste et demeure une guerre euh, asymétrique qui n'est pas une guerre vraiment ordinaire où tu sais là où l'ennemi se trouve et il faut aller se battre avec lui. Non, c'est au moment où tu essaies de les joindre parce que apparemment l'armée est passée à l'offensive, n'est-ce pas Aller trouver les terroristes là où ils sont, mais avant de les trouver, justement, ils sont toujours euh, attaqués et c'est vraiment cela qu'il faut déplorer et qu'il faut solutionner. C'est malheureusement ça la guerre. Nous avons perdu une cinquantaine d'hommes, mais il faut, euh, autrement dit, faire en sorte que ça ne se répète pas. Mais aussi, au Burkina, quand il y a eu le départ euh, de l'armée française, il y a eu une recrudescence des attaques. Au Niger, on constate que c'est le cas. Au Mali, avec le départ de l'armée française et avec le départ de la euh, c'est la même chose. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas faire aussi le lien Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à démontrer que le vide laissé par ces, armées étrangères, n'est-ce pas, veut être comblé Tout ça, c'est matière à réflexion. Et je pense que euh, ce n'est pas le cas. Et depuis qu'ils étaient là, il y a toujours eu des attaques. Ces derniers temps, certainement grâce à la détermination de notre armée, il y avait moins d'attaques. Là, ça reprend. Créer les conditions vraiment de, réfléchir à tête reposée avec beaucoup de lucidité pour que ça n'arrive pas parce que chaque jour, vraiment, les gens, euh, on est endeuillés. Si ce n'est pas ton frère, c'est ton cousin, sinon c'est quelqu'un que tu connais, sinon tous les jours, des photos défilent et je crois qu'il y a lieu de pousser encore la réflexion, il y a toujours une solution. Merci beaucoup, Abachari Arimi, Issa Dougou. Que faut-il euh, comprendre ou retenir au sujet euh, de ces deux attaques Merci Mokhtar. Avant de donner la réponse à votre question, je voudrais d'abord présenter mes condoléances les plus attissées à toute la nation nigérienne et souhaiter prompt rétablissement euh, aux blessés. cette situation n'est pas propre à l'arrivée ou bien à la prise de pouvoir par le CNSP. Ça fait plus de cinq ans que le Niger est en train de vivre vraiment des attaques perlées de ces groupes armés non étatiques dans cette partie du Niger. Aujourd'hui, toute la région de Luptako gourma vit au rythme des activités et eh, vraiment de ces groupes armés. Souvent, on note une accalmie. Souvent, on a des périodes comme ces périodes de fin de, campagne, souvent, qui est rythmée aussi par une certaine intensité de l'activité de ce groupe terroriste. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui, les autorités ne baissent pas la garde. C'est vrai, on est dans une situation difficile, mais tout de même, la vigilance doit être de mise pour que euh, on puisse vraiment continuer à sécuriser ce territoire. Parce qu'il s'agit de l'intégrité du territoire, la sécurisation des personnes et des biens qui vivent également sur le territoire. Comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, ce n'est pas une situation qui est propre ou bien qui a été créée par le CNSP. Le CNP a trouvé et le CNSP tente de le... Ce que les gens déplorent, c'est vrai, même si c'est... Quoi Même si ce n'est pas mort d'homme. Un soldat qui est blessé, c'est toute la nation qui est touchée. C'est pour cela que vous voyez souvent que les gens sont vraiment très surpris de ces attaques. Mais ces attaques aussi sujettent à beaucoup, à plusieurs interrogations. Nous nous trouvons dans une situation où le partenaire le plus actif, à savoir la France, dans la lutte contre le terrorisme, qui fustige son, euh, son comportement, après plusieurs années de, de, de, présence où on ne voit pas véritablement son apport dans la lutte contre le terrorisme. Aussi, vous avez entendu les propos linéaires du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que... lors, de la rencontre avec les, euh, forces, vives de, la, nation. ce sont des militaires, ils représentent un gouvernement. Donc ce pas des propos qui sont dits comme ça hasardement. Ce n'est pas le fruit du hasard. ça veut dire qu'ils détiennent des preuves. Ils, détiennent des preuves de ce qu'ils sont en train de dire. C'est un membre du gouvernement, il ne va pas venir aujourd'hui faire seulement le show. C'est pour cela que il faudrait que les gens ne perdent pas de vue aujourd'hui la priorité dans cette situation au Niger. La priorité, c'était de faire partie ses partenaires pour voir clair la situation. Moi, je pense que c'est sur ça qu'on devrait se concentrer. Mais les attaques, je pense que aussi, il ne faut pas baisser la garde, continuer et les prières des Nigériens et des Nigériennes vont les accompagner toujours dans l'accomplissement de cette mission de sécurisation des Nigériens. Euh, merci beaucoup Issa Madogo, euh, Diado. Comment assurer la paix dans ces zones d'insécurité Il faut d'abord penser à comment ramener la paix, la cohésion sociale dans ces zones d'insécurité. Il faut d'abord euh, chercher à savoir qu'est-ce qui en est d'abord la cause. Il y a eu déjà un forum dans la région euh, qui, a regroupé tous les fils de, et filles de la région de Mais Est-ce que tu es sûr que ce forum a regroupé en tout cas tous ceux qui doivent être concernés Est-ce que, parce qu'il faut, il faut se demander, parce que si c'est un grand forum, si c'est un forum qui a réuni tous les fils et les filles euh, de cette région, pour euh, pouvoir euh, aller vers euh, le retour de la paix et qu'on se retrouve à ce stade encore menacé par ces terroristes, ces, ces djihadistes, il faut se poser la question, est-ce qu'un un forum peut régler Est-ce forum peut régler la situation Est-ce qu'un forum peut ramener la paix au moment dans cette situation il faut se poser tellement de questions qu'on attend aussi à avoir tellement de réponses. Et je pense, comme je, l'ai dit, hein, la seule manière euh, de ramener la paix, c'est d'abord de passer par la coexistence. Ça veut dire tout simplement ramener la cohésion sociale. Et pour ramener la cohésion sociale et le vivre euh, ensemble. il faut d'abord que euh, les, filles et les, les, fils du terroir, de la région, euh, se mettent ensemble. Et il faut également une collaboration, ah je viens de le dire, une collaboration avec cette population et les forces de défense et de sécurité. Il faut savoir que les forces de défense et de sécurité sont là pour les sécuriser. Mais il y a aussi un maire, parce qu'aujourd'hui, ces populations, il y a des populations qui se sentent peut-être menacées, parce que tout simplement, euh, on pense qu'ils font partie intégrante de ces terroristes-là et qui aujourd'hui ont peur d'aller vers euh, euh, l'autorité pour pouvoir les informer. Parce que quand tu les informes, des fois, c'est sur toi que il y a, des représailles. il y a toujours des représailles. Donc, il faut vraiment ramener la sérénité entre ces fils et filles euh, du terroir. Il faut ramener la cohésion sociale et il faut voir comment est-ce que, dans la mesure du possible, la paix pourrait revenir dans cette partie en faisant une collaboration et en renforçant, par exemple, les forces de défense et de sécurité en, ah. équipement et surtout en moyens techniques. Euh, Technique, euh, quand je dis moyens techniques, il y a euh, les communications aujourd'hui. Mm. Il y a également, pourquoi pas, renforcer La flotte aérienne. Je pense que ça pourrait peut-être résoudre, hein, je dis bien résoudre, hein, peut-être hein, cette situation-là. Et vous avez quelque chose à dire rapidement Vous savez, avec la création de l'AIS, c'était une lueur d'espoir pour toutes les populations de cette zone. Mais pour que cette zone nord-Tilabéry puisse être stabilisée, il faudrait qu'on s'assure que l'armée malienne également soit présente le long de sa frontière. C'est dans ce sens que seulement on peut amener une paix durable dans la zone. Tant que dans l'autre zone, on n'a pas, même si on a l'autorisation de faire des racisages sur, le territoire malien, tant que les, les FAMA ne sont pas installés au niveau des cercles qui sont au, le long de la frontière, ça va être difficile. Parce que la porosité des frontières fera en sorte que les déplacements des groupes armés non étatiques va être facile pour ces derniers. Donc c'est pour cela que dans cette collaboration, dans cette nouvelle synergie, il faudrait que les FAMA soient présents parce que c'est la non-présence des FAMA depuis plusieurs années qui fait en sorte du côté du Mali du, côté malien c'est fait en sorte qu'aujourd'hui, les forces armées de défense du Niger ont des difficultés aujourd'hui à traquer ces gens-là. Parce que tant que vous traquez, vous êtes les seuls sur le terrain, il va être difficile. Mais si vous avez des alliés qui sont de l'autre côté, qui peuvent vraiment vous apporter un appui, ça va, vous avez dans une synergie d'action, on peut mettre fin à Moi, je pense que la priorité aujourd'hui pour aider cette zone à se pacifier. Dans le cadre de l'AES, il faut que les FAMA reviennent et s'installent dans les cercles frontaliers, Anderboukan et autres villes le long de la frontière. Ça, ça va nous faciliter la tâche dans la sécurisation de cette zone pour le bonheur des populations. Rapidement, c'est pour réagir à ce que Samarugou vient de dire, ce que ça veut dire que la tâche de l'armée reste compliquée en ce sens que euh, du côté de Gao, du côté de Tombouctou, euh, le blocus sur Tombouctou et les gens parlent de plus en plus de blocus sur euh, Gao, qui est quoi à 200 km de la frontière nigérienne. Autrement dit, euh, les terroristes ont malheureusement de l'autre côté aussi des beaux jours devant eux. Autrement dit aussi, la collaboration entre les trois armées, il faut qu'elle soit encore beaucoup plus marquée, beaucoup plus intense en fait, parce que euh, le problème, oui, ça, reste, c'est vraiment du concret, c'est-à-dire le Nord Mali, il y a une mise réelle des terroristes, il faut euh, reconnaître, surtout que euh, les anciens rebelles ont aussi repris les armes et donc l'armée malienne est sur deux fronts, je dirais, et donc c'est un peu compliqué de l'autre côté. Autrement dit, nos frontières, vraiment, la vigilance doit être de mise. Merci beaucoup à tous. On a terminé une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général de brigade Abdraman Khani, a accordé deux entretiens à la télévision nationale, une en langue Hausa et l'autre en Zarma, samedi 30 septembre. Plusieurs sujets au plan national et international ont été abordés par le chef de l'État au cours de cette sortie médiatique. Abakari Animi, avez-vous su le chef de l'État. Que peut-on retenir au sujet euh, de ces deux entretiens Alors j'ai suivi et j'ai suivi la version en Zarma et j'ai pas eu besoin de traducteur. Ah. Donc ça veut dire que le message. J'avais voulu publier <laughs> d'ailleurs parce que j'étais de moi-même. J'étais fier de moi-même pour euh, avoir d'abord une bonne trentaine de minutes d'intervention du chef de l'État, tout en armant, et j'ai pas eu besoin de traducteur. Les enfants voulaient le faire, j'ai dit non, je comprends parfaitement ce qui est en train de se passer. Autrement dit, c'est un très bon signal à mon avis. Euh, je suis militant de langue nationale actuellement, on, parle, on pense que le Hausa et les, euh, les, les, sont les plus parlés. Et il a fait son intervention dans ces deux langues-là. Déjà, je trouve que c'est très bien parce que c'était aussi le penchant du président Tanja d'ailleurs, qui mhm. parle régulièrement en Hausa, parce qu'il s'adresse aux Nigériens partout, n'est-ce pas Et ceux qui ont été à l'école comprennent le Hausa et les Armands, mais ceux qui n'ont pas été à l'école ne comprennent pas le français. Donc quand tu veux parler aux Nigériens, je trouve que c'est très bien choisi de parler en langue nationale. Ça, c'est l'une des choses. Maintenant, euh, je l'ai écouté sur euh, le rachérissement du prix euh, des céréales. je crois que ça mérite attention. Tout de suite, quand on venait, notre voiture, on était obligé de contourner au niveau d'un des vendeurs qui vend au prix normal. Et les gens, c'est comme si c'est gratuit, ils sont là rassemblés. Alors que, bon, le prix, ça veut dire qu'ailleurs est encore très élevé et ce n'est pas à la portée du Nigérien. Ça, c'est quelque chose euh, sur laquelle il faut réfléchir pendant cette période de crise, mais même après. Autrement dit, en fait, les Nigériens n'arrivent pas. Vous parlez de l'autosuffisance alimentaire. Oui, les, Nigériens n'arrivent pas à se nourrir vraiment avec leurs moyens de bord une réduction de 2500 à 5000 francs des pères de famille passent la journée. Autrement dit, celui qui passe la journée, il n'a pas 5000 francs, à faire autre chose, il n'a pas 5 000 francs dans la journée. C'est ce que ça veut dire. Donc vraiment, ça c'est quelque chose d'extrêmement important et qui doit attirer notre attention. On doit vraiment tendre vers ça, l'autosuffisance alimentaire, grâce à nos moyens de bord. Je précise, parce que nous avons les fleuves, nous avons les goulbis, nous avons la Komadougou. Mais il y, a aussi euh, les, eaux souterraines. On en a plus que tout le monde. mais comment expliquer ce paradoxe, à euh, Arimi mais écoutez, vous savez, une, une politique au plan national, ça ne peut pas être l'œuvre d'individus ou de personnes, ou de groupes de personnes, ou de communautés même. Vous dire que le gouvernement doit avoir sa propre politique agricole Le Mali, ils ont connu moins de difficultés parce qu'ils s'autosuffisent en riz. Autrement dit, ils ne mangeaient pas leur riz eux aussi. Mais ils avaient suffisamment de riz qu'ils exportaient qui est très bien produit sur place, euh, donc de meilleure qualité. Les gens préfèrent vendre ça et acheter un riz qui coûte un peu moins cher, notamment en, Mauritanie. Mais quand il y a eu la fermeture des frontières et tout, ils ont le riz sur place, ils ont eu moins de difficultés que nous. Prochainement, il faut pas, il n'y a pas que des coups d'État qui peuvent entraîner la fermeture des frontières. On peut être dans une, dans n'importe quelle sorte de, euh, de difficultés. Il par exemple, il y a eu Covid, il y a eu des maladies, il y a des maladies. Il y a n'importe quoi qui peut survenir et qui peut nous exposer à ces armes. Il y a le conflit en Ukraine. On ne sait pas où est-ce que ça va mener. Donc, vraiment, c'est de produire sur le plat, Parce que nous ah, avons... Ah, euh, après euh, le prix des céréales, qu'est-ce qui, a, vous a, qui a retenu votre attention quand vous avez écouté euh, les deux entretiens du chef de l'État Bon, je l'ai écouté, en je te dis. Hein. J'ai trouvé que c'est assez simple à comprendre, n'est-ce pas Il a voulu parce que c'est son premier aussi avec adressé directement avec beaucoup médias. aux médias. Je trouvais que c'est aussi une bonne pratique euh, il faut régulièrement le faire parce que les gens veulent savoir, un, à qui ils ont euh, affaire, et deux, pourquoi ces personnes sont là et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Euh, il semble connaître la situation du Niger, c'est normal, quelqu'un qui était chef de corps de la garde présidentielle, puis président actuellement. on ne peut pas nier mais aussi il a montré que, bon, il porte quand même les Nigériens dans son cœur, à mon avis, vraiment en leur adressant ce message du fond de cœur, ça se sentait en fait. Il vous a, il vous a rassuré en un mot C'est rassurant, son calme euh, olympien, ce n'est pas très militaire. Et, les gestes Oui, euh, c'était pas, oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé que c'était pas très. Euh, s'il se met en civil, ça ferait beaucoup, beaucoup de <laughs> plaisir à le suivre. Merci beaucoup, Abba Arimi, Issa Madougou. Avez-vous eu les échos de cette sortie médiatique du chef de l'État euh, samedi 30 septembre. Quelle est votre opinion à ce sujet Les échos de la diffusion des deux entretiens, parce que moi j'ai aimé l'exercice, poser des questions, répondre, ça c'est vraiment un exercice que j'ai aimé. Parce que là, on sait que... Ça c'est la forme. Oui, ça c'est la forme. Ça j'ai aimé. Maintenant, euh, toujours dans la forme, bah, j'ai aimé le cadre parce qu'il faut être expressif. Également, le cadre doit être expressif. Et aussi, le ton utilisé aussi, c'est vraiment à apprécier. Il n'y a, pas de nervosité. ça sent une certaine confiance que lui-même, il incarne pour ceux qui, à qui il adresse le message. C'est ça. C'est-à-dire que lui-même, il a euh, dans la forme le temps qui a été utilisé et cette sérénité qui a caractérisé euh, l'entretien montre qu'il a un profond respect et qu'il est là, comme il l'a dit dans le fond, rentrons maintenant dans le fond, que c'est aux Nigériens d'en décider de ce qui va se passer et qu'ils veilleront à ce que toutes les déloyances des Nigériens et des Nigériens seront prises en compte dans la définition des nouvelles bases qui édifieront le prochain Niger. Donc moi je pense que ça, c'est vraiment une des choses à, apprécier. Est-ce que les Nigériens se sont sentis euh, rassurés En tout cas, euh, euh, l'échantillon de Nigériens avec qui j'ai échangé après la diffusion de l'entretien, ils étaient vraiment émus. Surtout la, langue, langues. Pour, il a fait des entretiens en Hausa et en Zarma. Moi, je me suis... Euh, euh, oui, est-ce que c'est une pratique qu'il faut privilégier Mais il faut privilégier, comme Abadi, ce n'est pas tout le monde euh, qui, qui a eu l'occasion de fréquenter, de comprendre le français. Et d'ailleurs, quand vous voulez, on le sait en communication souvent, si vous voulez vraiment vous adresser, qu'il y ait une certaine compatibilité dans votre interaction avec une personne, vaut mieux essayer de parler à la personne dans la langue qu'elle comprend, dont tient les tenants et les aboutissants, qu'il est capable de comprendre les proverbes utilisés, les figures du style utilisées dans votre speech. Cela va faciliter la compréhension. Et l'échantillon, quand les gens étaient émus, ils disent Ah, général est là. Surtout quand il parlait, je reviens surtout euh, ici sur le cas de, la pénurie de riz, 25%, 5%, parce que c'est ça. Mm-hmm. Il y avait eu, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de riz, c'était une mauvaise communication. C'est pour cela, les gens pensent que euh, on va mourir de faim, il n'y a plus de riz. Non. Mais y a, c'est le stress. Ça stressé les gens. C'est parce qu'il y avait une mauvaise communication de la part, y compris de, des importateurs, et exportateurs, et aussi de la société civile. Parce qu'il y a un type de riz catégorie qui est là. C'est ça que les gens, ils ont pris. Les gens se précipitent toujours, je sais, parce que c'est comme je le disais tantôt dans nos différentes interventions ici, que la précipitation de diffuser une information sans être spécialiste peut causer des torts à la société. Et c'est ce stress-là que ça a causé, parce que les gens ont eu l'impression que tous les magasins vides, il n'y a rien à manger à non, il y a le riz. Mais c'est du riz de super qualité. Le, les riz parfumé parfumés. Non, les riz basmati et consorts qui existent. Mais les Niger... à une autre classe sociale Écoutez, Mokhtar, j'arrive. Quand vous demandez même, c'est dans l'habitude alimentaire que le riz aujourd'hui est, est, devenu incontestable dans le menu des Nigériens. Et les Nigériens, avant, ce n'était pas le cas. Les Nigériens aujourd'hui ont aussi une préférence pour une certaine qualité de riz à cause de l'accessibilité ou aussi. Je parle sous ton contrôle en tant que femme parce qu'elle préfère avoir deux ruches et avoir beaucoup de riz. Mais le basmati aussi, dans sa préparation, je, <laughs> vais la laisser après, elle va l'expliquer, ah, dans sa préparation, ne favorise pas la quantité. Mm-hmm. Donc, c'est ça, ce n'est pas, mais c'est cette mauvaise communication. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on diffuse ce qu'on envoie comme information. Parce qu'aujourd'hui, dans ce contexte, il faut éviter de stresser la population. Parce que vous stressez la population, ça va répercuter aujourd'hui, même sur la gestion de l'État. Les derniers jours, là, on a dit, les gens ont commencé à dire, hey, il n'y a plus de nourriture. Non, mais j'ai suivi une vidéo d'un importateur qui parlait. Il disait que les gens qui importaient du riz, chaque fois, pendant des réunions, ils ne se prononcent pas. Ils ont des syndicats qui parlent à nous. Pourquoi eux, ils peuvent voir Parce que tant que eux, ils ne parlent pas, les gens n'ont pas confiance en eux. Aujourd'hui, il y a toute une certaine spéculation, une mauvaise publicité pour ces gens-là. C'est parce qu'ils se sont terrés. Oui, mais revenons au, oui, ils se sont terrés dans le au Sujet de l'intervention du. Euh, oui, c'est pour cela. J'ai dit. Oui, en fait, dans l'intervention du, chef d'État, c'est ce qu'on. Même s'il y a d'autres points, c'est ce qui a attiré l'attention, qui a pris le dessus, parce qu'il y a cette mauvaise. vous avez été impressionné, vous particulièrement Moi, j'ai dit, j'étais, je suis rassuré en attendant de voir. Mais néanmoins, comme je l'ai toujours dit, c'est avec réserve, moi, je prends les choses. Parce que on a une priorité qui est là. Moi, j'aimerais qu'on priorise les choses. On a euh, cette affaire avec la France qui est là, qui ne veut pas quitter. Il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité qui est là. Il y a aussi le développement de ces zones qui est là, qui s'impose. Et aujourd'hui, on a cette rentrée à l'aube de cette rentrée militaire. Euh, voilà, dans son discours, il avait évoqué cela. Donc moi, je pense que dans l'ensemble, en gros, on peut dire que c'est satisfaisant et on espère que ce qu'il a dit sera matérialisé sur le terrain et qu'il prendra les dispositions nécessaires comme lui-même il l'a dit et ça a rassuré beaucoup de Nigériens devant l'intérêt des Nigériens qu'ils sont prêts à prendre toutes les dispositions pour protéger les intérêts des Nigériens, que les Nigériens puissent vraiment s'épanouir dans leur propre pays. Merci beaucoup euh, Issa Madougou, Le peuple nigérien va désormais dicter la forme des futures euh, relations avec euh, la France à affirmer mais le général Abdraman Tchani. que peut-on euh, encore retenir au sujet de cette sortie médiatique du chef de l'État D'abord, il faut souligner que c'est juste une reprise de son message à la nation son premier message euh, à la nation en français. C'est une reprise, hein, parce que tout ce qu'il a souligné en langue, que ce soit le Hausa et le Jarma, ça a été dit dans son message à la nation en français. Il fallait revenir sur ce message à la nation pour faire comprendre à ceux qui ne peuvent pas comprendre le français de quoi il s'agit réellement. Parce que tu as vu, il a expliqué euh, d'abord pourquoi le coup d'État. Il a expliqué de, les problèmes sociaux aujourd'hui que traversent euh, les populations. Il a parlé de la sécurité, il a parlé des relations euh, entre la France et le Niger. Il fallait que, le Niger et certains, états, de la CDAO aussi. Il a fait le tour d'horizon, le tour de toutes ces situations-là pour que celui qui se trouve dans le fond fond Niger puisse être informé. Mais ce qui a encore un peu manqué, parce que je me dis que c'est un relais le relais de l'information. Si on doit, oui, oui, c'est vrai, c'est la télévision nationale, c'est sur la demande de la télévision nationale qui a eu l'entretien, par exemple. Mais j'aurais bien voulu que après diffusion au niveau de cette télévision nationale, qu'on puisse avoir des relais aussi pour pouvoir atteindre d'autres populations. Ah, vous voulez euh, dire que, euh, les, deux entretiens doivent aussi être diffusés euh, dans d'autres médias. Dans d'autres médias. Non, j'arrive. C'est une communication. Non, j'arrive. Je parle de la communication. Ah non, j'arrive. Hein. J'ai dit, que c'est une idée qui vient, c'est vrai, de l'Orten. Mais on a toujours vu par exemple, quand il y a des messages à la nation aussi riches et aussi variés, on a quand même cette possibilité aussi de euh, diffuser de, façon Je pensais également que pas ici, hein, seulement ici à Niamey ou dans les grandes villes. J'ai dit, il y a une population qui est hors de cette grande ville, de ces régions-là, qui se trouve dans des zones où il n'y a pas la possibilité aujourd'hui d'avoir euh, le courant, la télévision pour pouvoir. Euh, Mais c'est passé sur euh, la radio mère, la voix du Sahel. Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, je sais que c'est la voix du Sahel. Je sais que c'est la voix du Sahel. Et ça a passé ne serait-ce qu'une une ou deux fois comme rediffusion. Ah. J'ai dit pour que l'information puisse atteindre autant de populations, on pouvait faire suivre Il faut mettre aussi à contribution d'autres médias. Ça, c'est mon idée à moi. Je ne dis pas que euh, c'est pas euh, que c'est forcé, mais j'ai dit c'est une contribution. Maintenant, ce qu'il a dit, c'est intéressant puisque aujourd'hui, il fallait parler en langue pour pouvoir atteindre la masse. Et comme ce n'est euh, pas un secret de Polichinelle, en tout cas pour les Nigériens, la grande majorité se trouve en campagne. Et quand cette grande majorité se trouve en campagne, ça veut dire que nous avons des populations aujourd'hui qui sont la plus grande partie et sont des populations qui n'ont jamais mis pied à l'école, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc c'est de bonne guerre qu'il euh, a pu, en tout cas, communiquer en, langue. Et même que j'ai vu que c'était un peu. Il s'est quand même débrouillé dans la langue germain. Il s'est quand même débrouillé parce qu'en l'écoutant, on sait qu'il n'est pas trop euh, à l'aise dans, message quand même. Oui, ce que je suis en train de dire, j'ai dit, il s'est forcé quand même à satisfaire euh, cette communauté, à satisfaire la langue, ceux qui comprennent la langue germane. C'est déjà bon. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce qui a manqué pour euh, nos, nos, chefs d'État, nos présidents. C'est vrai, Tange l'a fait. Tange a toujours euh, intervenu en langue Hausa puisque c'est la langue qu'il maîtrise beaucoup. Et je pense que c'est un exercice que le président ne devrait pas, le chef de l'État ne devrait pas en tout cas mettre de côté. Communiquer à chaque fois qu'il est nécessaire de communiquer en langue. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de combattre. Ah oui, oui, nous sommes en train de mettre... Le Niger oui, Oui, oui, le Niger, on veut réécrire l'histoire du Niger. Donc je pense que réécrire l'histoire du Niger, c'est l'écrire avec les langues nationales. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école lundi 2 octobre après les grandes vacances. Cette année, ils sont près de 4 millions et demi d'élèves et plus de 100 000 enseignants qui sont retournés à l'école. Dans son discours prononcé la veille de la rentrée, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Sherif, a évoqué la particularité de cette rentrée scolaire qui est caractérisée selon elle, euh, par la ferme volonté du peuple nigérien à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Issa Madougou, euh, dans quelles conditions les élèves et les enseignants ont donc effectué la rentrée scolaire 2023-2024 rapidement Je vais vous répondre, mais tout le refuser la parole tout à l'heure. Vas-y. Oui. <laughs> moi, je pense que, moi, je voudrais, avant de répondre, je voudrais parler de la couverture médiatique et de la recherche de l'information. Les gens se sont réunis Comment à aller vers le lancement officiel. Pourtant, le sujet est vaste. Le lancement officiel de la, de la Je prends le cas de Niamey. Mais or que le sujet est vaste, à la suite de l'entretien du chef de l'État, il a donné des sujets, des indications, surtout par rapport à la fourniture aux fournitures comment ils ont pu. Euh, moi, je pense voilà des sujets que les gens devraient attaquer, pontrer comme des conditions seulement dans lesquelles ils ont réussi. Parce qu'il a dit qu'il y avait des fournisseurs qui avaient refusé pour dire que ah, c'est difficile pour nous, mais pourtant eux, ils ont pris les dispositions parce qu'ils veulent que Dans le contexte de la fermeture, des, frontières. pour que les la rentrée se déroule dans les bonnes conditions. Et moi, je pense que ce qu'ils sont, ils ont eu à faire est appréciable et à encourager. Et on a vu aussi d'autres notes qui sont sorties juste après la rentrée, par exemple le racket des parents d'élèves et autres, fonds qu'on prend chez les parents des, élèves qui ne servent à rien, que, que dont on ne voit même pas l'intérêt, qui agressent Oui, <laughs> mais je pense que tout ça là, c'est à apprécier. Les actions que Madame Elisabeth est en train de poser, la ministre de l'Éducation nationale. est encouragée. C'est comme ça que on peut aller de l'avant. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise, ah non, il faut faire des concessions. Non, si on veut arranger les choses, il faut prendre des décisions difficiles, dures et, aller de l'avant. Certes, ce n'est pas d'un seul coup aujourd'hui qu'elle va arranger la situation. C'est étape par étape. Elle a trouvé une situation très très complexe parce que ça fait fort longtemps que l'éducation nigérienne, dans ce secteur-là, malgré les promesses, malgré les, les réformes, les réformes inutiles, moi, je les trouve inutiles, des réformes qu'ils ont faites. Euh, ce secteur est toujours resté dans, gangréné, par une certaine léthargie où on sent qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté, même tant au niveau des acteurs que des apprenants. Parce que les enseignants ne sont pas vraiment valorisés. Ils, n'ont pas été motivés. La contralisation, moi je pense que aussi est un des cas que d'ici la fin de la transition, si on définit une durée, qu'il faut essayer par tous les moyens que avant le retour, euh, le retour à l'ordre constitutionnel normal, que là on finit avec la contralisation. Que euh, le programme aussi soit revu qu'on forme plus de cadres, qu'on donne, on forme plus de cadres vraiment patriotes à ce pays. Tant que l'éducation ne marche pas dans un pays, on ne peut pas. Merci beaucoup, Issa Euh, Diado, cette année encore, la rentrée scolaire intervient dans un contexte où plusieurs écoles restent toujours fermées en raison de l'insécurité dans beaucoup de localités. que faire selon vous rapidement D'abord, euh, il faut féliciter hein, parce qu'en deux mois, euh, on arrive euh, à faire la rentrée scolaire le 2 octobre. Moi, je pense que c'est vraiment, il faut s'en féliciter. Il faut féliciter surtout la ministre de l'Éducation nationale pour son courage, hein, son patriotisme aussi, parce que pour son intérêt également à l'éducation nationale. Parce qu'il faut avoir un intérêt, un regard sur tout ce qui se passe dans ton ministère. Elle est aussi enseignante. Oui, dans ton ministère. Mais il y a combien d'enseignants Tu peux être enseignant et ne pas être intéressé. Mais là, je me dis que euh, dès les premières heures de sa nomination, on l'a vue sur le terrain. On l'a vu quand même sur le terrain. Elle était à, côté de ses contractuels par surprise pour aller voir comment est-ce que le paiement se fait au niveau de la poste. Elle a suivi pas à pas jusqu'à arriver à la rentrée scolaire déjà, c'est à saluer. Et je, vraiment, c'est euh, l'encourager à aller. Oui, dans l'ensemble, est-ce que la rentrée s'est déroulée dans de très bonnes conditions Mais la rentrée ne peut ne pas se dérouler. Il y a toujours des petits problèmes. Il y a toujours des bobos qu'on peut. Mais il n'y a, pas de quoi qu'au niveau des syndicats. <laughs> voilà, donc <laughs> ils savent tout dit, donc il faut aller avec les moyens de bord. Il faut qu'on s'y mette ensemble après, là, quand il y aura une stabilité de tout ce que nous sommes en train de faire. Avez-vous avez-vous les échos de la rentrée ou dans les localités euh, où il y a l'insécurité, dans les zones d'insécurité Mais les zones d'insécurité, Mokhtar, on ne peut pas, c'est quelque chose qui ne peut pas être résolu euh, tout de euh, suite. tout de suite les, les, classes, les écoles restent fermées. Mais, il y a des regroupements d'écoles euh, dans certaines oui, oui, localités. Oui, il, y il, y a certaines zones que les merci ne sont pas Ouvertes. ne sont pas encore ouvertes. C'est ce que je suis en train de dire, Mokhtar. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser du temps au temps parce que c'est une rentrée scolaire. Il faut d'abord. Mais, les enfants ont quand même le droit d'être éduqués malgré l'insécurité. Les enfants seront éduqués. C'est ce que je suis en train de dire. Ils n'ont que ce gouvernement n'a que deux mois. Laissons le temps au temps. Et je suis sûre qu'avec cette détermination de la ministre de l'Éducation, ça sera un sujet qui sera, oui, ça sera un sujet qui sera évoqué très bientôt devant peut-être un hein, conseil des ministres pour trouver une, solution. à cela. Merci beaucoup, Mme Diado. cette année, la rentrée <coughs> s'est déroulée dans le calme, la sérénité, selon beaucoup d'acteurs du domaine de l'éducation. Comment l'expliquer euh, Oui, je sais, j'ai vu par deux fois d'ailleurs, euh, depuis que le CNSP est là, que les euh, enseignants, notamment des contractuels, n'est-ce pas, ont été payés généralement les revendications qu'ils posent à la rentrée, c'est qu'on les envoie sur le terrain sans être payés. Et ça, je les ai vus euh, sans féliciter. J'ai vu aussi comment des fournitures ont été transportées par avion pour euh, les zones un peu éloignées, notamment d'IFA et Agadez. Euh, quant à leur suffisance, je ne sais pas. Euh, aussi, on sait que les zones euh, où les écoles sont fermées, ça reste euh, fermé parce que la sécurité n'est pratiquement pas encore revenue dans ces zones-là. Les populations ne sont pas retournées non plus. Maintenant, moi, sur un point précis, parce que les problèmes de l'école de l'école nigérienne, ils sont énormissimes et je crois que ça doit, qu'on le veuille ou pas, il faut que les Nigériens, on s'arrête un jour pour essayer de régler ce problème. Parce que euh, là, nous avons affaire à une transition, n'est-ce pas Donc, un délai vraiment très court qui ne va pas permettre, mais ils peuvent poser les, bases, les jalons d'une bonne école. Et ça, c'est en réfléchissant surtout. Vraiment créer les conditions et euh, notamment qui passent par l'enveloppe allouée à l'éducation, ce n'est vraiment pas important. Or, on nous a toujours crié sur tous les cieux que nous avons beaucoup d'enfants. Euh, mais euh, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un, il nous faut les éduquer. C'est de cela qu'il s'agit. Ça, veut dire que l'État doit mettre les gros moyens. Gros moyens. Et ça, c'est un. Il y a une chose précise que la nouvelle ministre, quand elle est venue, euh, elle a soulevée. on était tous contents, mais j'ai bien peur que ça soit comme avec euh, l'autre euh, gouvernement, c'est la question des écoles privées. Elle a soulevé le fait que les coûts sont très élevés. La cherté. Parce que, en fait, il faut savoir, aujourd'hui, il y a des écoles qui sont fermées, mais aussi, par exemple, dans dans les grandes euh, villes, l'école est carrément à 80, voire 90% à la charge des parents. Parce que beaucoup vraiment n'amènent pas leurs enfants dans le public. Dans les écoles Donc les écoles privées deviennent aussi une vraie préoccupation. J'ai vu la sortie des responsables des écoles privées, <laughs> dont j'ai quelqu'un que je connais bien, qui ne m'a pas convaincu. Mais là, la rentrée a déjà eu lieu et il n'y a pas de retour par rapport à ces décisions qui devaient être prises. Et il y a un chantier important euh, qui était... Euh, entamé par l'autre. Euh, parce que l'école, c'est une continuité. Hein. L'école, ce n'est pas une affaire d'un an ou de deux ans. Euh, il y a quelque chose d'extrêmement important, notamment les classes en paillotte n'est-ce pas On était dans un projet qui disait zéro classe en paillote, je ne sais d'ici quand, n'est-ce pas On sait aussi qu'il y a de la démagogie là-dedans, mais c'est un slogan valable parce que nos enfants doivent étudier d'abord dans un cadre approprié. Où est-ce qu'on en est est-ce qu'il compte poursuivre ce, chantier Ou combien vraiment important pour euh, l'école nigérienne Donc, il y a des choses précises. Je ne rêve pas d'une école où tel que nous, nous l'avons connu, peut-être que vous-même, vous ne l'avez pas connu, mais où, à la fin du mois, même le crayon, on te donne, le bic, on te remet, le cahier, dès que ça finit, tu as 10 pages qui restent, on te donne un autre cahier. Ça, je ne rêve pas de ça, mais, que ça soit disponible. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Issa Madougou, journaliste indépendant, Abba Kariarimi, journaliste à la radio alternative, et Memouna Diado, journaliste indépendante. Merci Merci aussi à vous tous, euh, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, euh, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Mustapha Ayouba à la réalisation Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.